sommaire, le procès en appel de Barthélémy Diaz et compagnie, procès renvoyé au 1er décembre prochain. Diaz, Sonko et gaku empêchés de marcher sur le palais de justice de Dakar. Khalifa Sall, outré par le renvoi du procès, dénonce l'immixion de l'exécutif dans le judiciaire. Campagne de commercialisation de l'arachide, coup d'envoi avant la fin de novembre. Le prix aux producteurs pourrait augmenter de 20 francs CFA par kilogramme. Avis de vent fort sur les côtes sénégalaises, l'ANASIM appelle les pêcheurs à ne pas se rendre en mer entre aujourd'hui et demain. Climat social dans les universités, sit-in du SAES à Thiès, grève de 48 heures à Dakar. À Saint-Louis, le gouverneur met les protagonistes autour d'une table et trouve une solution. Dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons des compétences et attributions du département. Sont-elles suffisantes pour que cette collectivité territoriale joue pleinement son rôle Réponse avec nos deux intervenants du jour. À la mise en onde de ce journal, Abdoulaye Diop. Malgré le renvoi de son procès en appel dans l'affaire Ndiaga Barthélémy Diaz tenait ce matin à se rendre au palais de justice de Dakar, accompagné par le leader du PASTEF, Ousmane Sonko et Malik Gakou du Grand Parti. Le maire de Mermoz Sacré-Cœur a tenté de se frayer en chemin, mais les forces de l'ordre ne l'entendaient pas de cette oreille. Reportage, euh, c'est de robins. Le procès renvoyé n'a pas empêché Barthélémy Diaz et ses militants de vouloir se rendre au tribunal. Mais c'est peine perdu Les forces de sécurité sont plus que jamais déterminées à barrer la route à la caravane dirigée par Barthélémy Diaz, Ousmane Sonko et Maligaku. Caravane stoppée net à hauteur de point E. Les lieux sont quatriés par les hommes bleus qui n'hésitent pas à la moindre occasion de lancer des canons lacrymogènes. Au finish, c'est le sauve qui peut et la caravane a connu un désordre. Elle s'est dispersée jusque dans les plus petites ruelles du quartier Revenons maintenant sur le volet judiciaire de cette affaire. Je vous le disais, la Cour d'appel de Dakar a renvoyé le procès au 1er décembre prochain. À l'annonce de la décision de la Cour, le leader de la coalition Taraou Sénégal, Khalifa Ababakar Sall, présent sur place, a vivement réagi. Selon lui, la date du 1er décembre a été choisie à dessein pour perturber la campagne du candidat de la coalition Yeoui Askanui. Khalifa Babakarsal dénonce par ailleurs l'immixion de l'exécutif dans les affaires judiciaires en vue de liquider des adversaires politiques. Le voici au micro d'Abdou Diouf Junior. C'est beaucoup d'insatisfaction. Nous ne sommes pas satisfaits de la date proposée. Le 1er décembre, Barthélémy Diaz sera en pleine pré-campagne électorale. Certes, la requête de renvoi n'émane pas de lui ni de ses conseils. C'est les autres prévenus qui n'avaient pas d'avocat qui ont demandé le renvoi. C'est à cause de cela. Mais le 1er décembre est une très mauvaise date. L'État, la justice sont à la manœuvre. Je l'avais dit, je le répète. En la matière, dans les démocraties consolidées, la justice s'interdit d'interférer dans le jeu démocratique. C'est ce qui se passe pas. Et cette décision ci nous conforte dans notre conviction que ce qu'ils veulent, c'est d'essayer de neutraliser Barthélemy à défaut de chercher à l'intimider. L'intimider est vain. Ce qu'il cherche, c'est de perturber sa campagne. Ce qu'il cherche, c'est essayer de se donner des moyens supplémentaires de gagner Dakar, ce qui est vain et illusoire et utopique. Ils ne gagneront jamais Dakar, Inch'Allah. RFM, fréquence de modulation, 94.0, la radio en puissance. Parlons justement de ces élections territoriales de janvier prochain avec les cours d'appel de Thiès euh, et Saint-Louis qui statuent ce mercredi sur les rejets des listes de Yehui Askanui. Les recours de cette euh, coalition de l'opposition visent directement l'État du Sénégal et pour cause, les préfets et sous-préfets mis en cause représentent le pouvoir dans les localités où les listes ont été rejetées. Là-dessus, Ibrahim, voici Ibrahim Ndiaye, euh, secrétaire national chargé des finances et de la logistique du PRP, le parti républicain pour le Progrès et membre de Yewi Askanoui. Il était l'invité des RFM Il faut préciser, et j'ai l'habitude de le rappeler, la tenue, ça demande la tenue. Quand on est une autorité mandataire d'un pouvoir régalien, on a des responsabilités qu'on doit assumer. Ça, c'est un, élément. Donc, si on vise l'État du Sénégal, c'est parce que ces mamans ont fauté. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est un processus. Ce processus-là est, allé à, à terme dans le cadre du dialogue national qui a mis l'accent sur des points très précis comme avec un, des ententes sur, sur des points. La particularité, c'est que si l'État ne respecte pas ces engagements-là, c'est une faillite. Et cette faillite-là, nous ne pouvons pas l'imputer à, un tiers. C'est à l'État du Sénégal, en mais l'État du Sénégal, il y a des personnalités qui les représentent, en la personne du président de la République, en la personne du gouverneur et autres. Mais les personnes cibles sont les sous-préfets, les préfets qui, dans le cadre de l'existence de leurs fonctions, ont outrepassé leur autorité. Et ces fonctions-là sont régaliennes. Il n'y a pas de mesure dans, l'approche, mais c'est que les pertinences dans l'exécution des décisions posent problème. Combien de listes de Yéwi ont été rejetées sur l'ensemble du territoire. À ce jour, je ne peux pas vous faire le point, mais à partir de, demain, je pense plus tard, on a un retour au niveau des, commissions pour avoir une mise. Mais retenez qu'au niveau de Matam, on a des régés. Au niveau de euh, on a, des, on a des Département comme commune. Au niveau de Fondune, on a des régés. Au niveau de Kolda, on a des régés. Et d'ailleurs, pour ce jour, je pense que la Cour d'appel de, de, Thiès statue sur le cas de Mbour, comme la Cour d'appel de Saint-Luc statue sur les, cas de Matam. Justement, à Thiès, plus de cinq avocats donc euh, gèrent ce dossier, prennent ce dossier en main et vont défendre la coalition qui conteste les rejets de ces listes de, candidats. Euh, les cinq avocats sont actuellement euh, au, tribunal de, de Thiès euh, pour donc plaider ce dossier ainsi qu'à Saint-Louis. Nous reviendrons bien naturellement sur ces audiences dans nos prochaines éditions. Pour l'instant, il est 12h07 minutes. Parlons de la campagne de commercialisation de l'arachide qui va démarrer avant la fin de ce mois de novembre. Selon nos informations, le prix de l'arachide pourrait être fixé à 270 francs cette année, soit une augmentation de 20 francs CFA. À l'issue de sa réunion tenue il y a deux semaines, le Seigneur, le Comité national interprofessionnel de l'arachide, a proposé un prix plancher de 270 francs pour le kilogramme d'arachide pour la campagne de commercialisation, un prix supérieur à celui de l'année dernière qui était de 250 francs. Les producteurs, les huiliers et les autres secteurs de la filière sont tombés sur les 270 francs qui se justifient amplement selon nos interlocuteurs au vu du cours mondial de l'arachide qui est à l'heure actuelle de 271 francs. Le Seigneur attend maintenant la décision de l'État qui devrait entériner ce prix proposé lors du prochain Conseil des ministres mercredi prochain, puisque la réunion hebdomadaire du gouvernement ne se tient pas aujourd'hui pour cause de voyage du président de la République. Au-delà du prix de 270 francs, la campagne de commercialisation de l'arachide va démarrer, selon nos sources, avant la fin de ce mois de novembre. Les réglages ont d'ailleurs déjà commencé. L'affectation des points de collecte aux opérateurs par le Comité national interprofessionnel de l'arachide a débuté avant-hier lundi par la région de Diourbel. Hier, c'était au tour de la région de Kaolack et aujourd'hui, c'est au tour de la région de Giganchor. Les autorités se veulent rassurantes. Toutes les dispositions sont prises pour un bon déroulement de la campagne de commercialisation de l'arachide. Restons avec l'arachide. À Louga, l'unité de la Sonacos dispose désormais de machines de presse à huile. La réception du matériel a été une occasion pour les employés euh, d'interpeller le directeur directeur général de la boîte, Modidiagne Fada, pour une augmentation du nombre des employés à embaucher et sur la situation des contractuels et des saisonniers. Voici Ibrahim Diop, leur porte-parole, avec euh, Emmanuel euh, Abraham Paul Pouy. Fada, directeur général de la SANACOS SA, nous avait promis des presses à huile pour l'unité de Louga, afin que l'établissement puisse faire de l'huile brute comme tous les autres unités de la Sonacos SA. Merci infiniment, monsieur le directeur général. La réception de ce matériel nous donne l'occasion de vous rappeler, mesdames et messieurs, quelques-unes des réalisations faites par monsieur le directeur général depuis qu'il est à la tête de la Sonacos SA pour l'unité de Louga. Je peux citer euh, l'automatisation de la Sonacos de Louga, un pont bascule neuf, vous l'avez déjà vu, une pelle mécanique qui est derrière vous. Il nous avait promis aussi un service médical l'achat des véhicules neufs. Depuis 15 ans, Louga n'a pas eu de, de, véhicules Après toutes les réalisations citées, quelles sont les urgences de la Sonacos Louga auxquelles le directeur général maud Fada doit s'attaquer C'est euh, augmenter les, les embauches, augmenter le nombre de personnes permanentes, augmenter aussi le nombre de, le nombre de personnes saisonnières. On était à 27, maintenant on est à 300. Il y avait combien de permanents Deux. On est à 15 ou 20, permanents. Nous voulons que ça augmente, augmenter les, les embauches. RFM, la radio de toute l'actualité. Le tribunal de grande instance de fatigue sans électricité depuis presque une semaine, un incendie provoqué par un court-circuit s'y est déclaré il y a quelques jours. Le personnel continue le travail, mais dans des conditions très difficiles. Fatih Aminata Goudjabi. Maître Toumani Sani est greffier au tribunal régional de Fatih. Nous l'avons trouvé dans son bureau situé au premier étage. L'endroit est mal éclairé en raison d'une absence d'électricité. À l'origine, un incendie survenu dans ce tribunal le jeudi dernier. Le travail est presque paralysé. Il y a eu un corps qui s'est produit euh, le jeudi passé, dans la matinée, avant l'audience, qui a causé un un incendie au niveau de la salle d'audience. Pour cela, jusqu'à présent, nous n'avons pas eu d'électricité. Tout le tribunal est dans le noir. Hein. Nous travaillons dans ces conditions. Et pour les audiences, comment vous faites L'autre jour, l'audience a été délocalisée au niveau du tribunal d'instance parce qu'on ne pouvait pas renvoyer cette audience, l'audience des grandes correctionnelle. Le service continue tout de même, mais difficilement, selon Toumani Sané, greffier et par ailleurs membre du syndicat national des travailleurs de la justice. Aujourd'hui, nous avons tenu l'audience au niveau de la salle, malgré qu'il n'y a pas d'électricité et là on est là, on travaille, bon, bon à malin dans des conditions un peu pénibles quand même. parce que tout est informatisé, nous sommes là à l'arrêt. Vraiment, nous demandons à ce que tout soit réglé et que le travail reprenne comme avant. Une mission du ministère de la Justice est venue constater les dégâts, mais ces travailleurs veulent une solution rapide à ce désagrément. les autres ont été informés. D'ailleurs, ils ont envoyé une équipe du ministère qui est venue constater. Peut-être ils vont revenir pour euh, réparer les, dégâts. Dans certaines régions du Sénégal, dont Fatigue, les tribunaux n'ont pas leur propre siège. Ils sont logés dans des maisons à usage d'habitation, Toumani Sani demande à l'État de penser à construire des locaux. Aminato Dans la région de Saint-Louis, Guidahar retrouve la lumière après une semaine passée dans le noir. Le défaut constaté sur la distribution est maintenant réglé par la Sénélec qui euh, vient de mettre en place un important dispositif. Toutefois, le chef du réseau Sénélec de Richard Toll révèle que le village ne peut pas avoir un réseau aérien tant souhaité par les habitants. C'est à cause des activités de la CSS, déclare Abdurrahman Kunta. Il est au micro de Mamadou Diagne. Depuis la panne, la Sénélec a déployé de gros moyens. On a réalisé tous les travaux. actuellement ni vraiment ils n'ont pas de problème de courant. Ils ont leur énergie et tout. Sénélec a déployé pratiquement 4 tourées câbles de 400 mètres du câble de HTA, plus encore le nécessaire pour les raccordements et tout. Ils ont déployé par exemple deux équipes de Saint-Louis, plus encore l'équipe de Richard Et en plus de cela, ils ont envoyé un entrepreneur au nom de Momodou Mboy. Ce que je voudrais vous expliquer, c'est qu'il y a un avion qui descend au niveau de Guy Pratiquement, cet avion-là, il s'occupe par exemple des, des, champs, au moins pour par exemple l'engrais des champs et tout. Donc l'avion-là, il, il, atterrit juste au niveau, par exemple, sur la route qui mène vers, vers Dakar. Si par exemple on fait par exemple une ligne aérienne, c'est pas sûr avec cet avion-là. C'est pourquoi au début des travaux, les gens de Guidakar, vous voulez que par exemple qu'ils réalisent par exemple une ligne électrique, ils ont ils sont discutés avec CSS. CSS leur a dit qu'on ne peut pas mettre par exemple des lignes électriques ici parce qu'il y a un avion qui descend là-bas. Donc ils ont réalisé presque 2 km de câbles. Mais des fois, il y a des pannes qui arrivent, on ne peut pas les gérer. sur le câble-là, lorsqu'on a fait des vérifications, par exemple, avec ces câbles, il y a beaucoup de points hein, qui sont partis. Donc on était obligé de changer ça. À 12h et bientôt 14 minutes, évoquons le climat social dans les universités du Sénégal à Dakar. Le syndicat autonome de l'enseignement supérieur a décrété un mot d'ordre de débrayage de 48 heures à partir d'aujourd'hui. Le syndicat dénonce ce qu'il appelle l'inertie du gouvernement sur l'ensemble de leurs points de revendication. Pourtant, à l'université Charente Diop de Dakar, les cours se déroulent normalement. Les étudiants des facultés des lettres et ceux de, la faculté de droit ont assisté aux cours comme à l'accoutumée. Reportage à l'université Charente Diop de Dakar, Omdo Marba. C'est waaw est assis sur un des bancs publics du jardin de la faculté de droit, une jambe sur l'autre, il tient une tasse vide. Il est sorti de son cours de travaux dirigé il y a à peine quelques minutes, le sac toujours en bandoulière. Ici, on, suit normalement notre cours. Ce, matin, à partir de 8 on a fait la télé. Et fait sortir quoi, et essayer tout le monde fait cours normalement. En tout cas, c'est pas encore effectué quoi, tout le monde fait cours normalement. Sorna aussi a fait le même constat. Ça. Non, non, même pas. Kofi, il une cours de... On était au courant quand ça a Dès qu'on a un ordre, mais j'avais pas la confirmation vu que. def nañ travaux je sais pas pour les autres profs xaw peut être tamit prof bi nous defal CID peut être ñu fekk partie du CID un peu plus loin, l'ambiance habituelle des jours de cours anime le hall de la faculté des lettres. Ici, aucune salle n'est vide. Si certains n'y font pas cours, d'autres sont en train d'y réviser. Le CES a décrété ce débrayage qui doit durer deux jours pour dénoncer ce qu'il appelle un harcèlement fiscal sur les budgets des universités publiques. Le SAES qui avait également appelé à un sit-in ce matin à l'université de Chess À l'université Gaston Berger de Saint-Louis, après quelques jours de manifestation des étudiants pour réclamer de meilleures conditions, le gouverneur de la région a rencontré les différentes parties. Un accord a été trouvé sur quatre points de leurs revendications. Dès vendredi, par exemple, les travaux d'assainissement vont euh, être entamés. Euh, entre autres mesures. Là-dessus, écoutons Aline son gouverneur de Saint-Louis, avec Hussein Diop. Pour que ces accords puissent être matérialisés, surtout sur le volet assainissement, l'entreprise qui a été commise par euh, euh, ONAS a reçu son ordre de service et les travaux vont effectivement démarrer le vendredi. Sur le volet Wi-Fi, l'État a fait a mis à la disposition du rectorat suffisamment de fonds et M. le recteur prendra les diligences nécessaires pour véritablement démarrer les travaux. Sur le volet de la voirie urbaine, de la voirie au niveau de l'université, Monsieur le ministre des Infrastructures, le ministre Mansour euh, également maire de Saint-Louis, s'est engagé dans le cadre du PSD à prendre en charge véritablement ces, travaux de voirie. Saint-Louis, Offort a mis à notre disposition euh, sept bâches à eau de grande capacité qui seront prépositionnées au niveau des campus et le remplissage se fera avec les camions citernes de la cette Éducation toujours en mot sur le recrutement de 5000 enseignants par l'État. Plus de 2000 professionnels ont déjà reçu leurs ordres de service. Les 3000 autres seront affectés avant la fin de la semaine, à en croire le directeur de la formation et de la communication au ministère de l'Éducation nationale. Mohamed Moustapha Diagne est interrogé par El Hajj Quelques 2000 enseignants recrutés sur la base de diplômes professionnels euh, viennent d'être affectés au niveau des académies et des instructions de l'éducation et de la euh, formation, euh, conformément à l'agenda de la, direction des ressources euh, humaines du ministère de l'Éducation nationale. Ces enseignants, je le rappelle, n'ont pas eu à, faire la formation au niveau des CRP puisque déjà étant titulaires de diplômes professionnels. Maintenant, il nous reste à ventiler les 3000 autres qui ont été recrutés sur, sur, qui ont été recrutés sur la base de diplômes académiques euh, et qui ont commencé leur formation au niveau des CRFP. Parlons maintenant de cette alerte de la météo. Un vent fort sur tout le littoral à partir de ce mercredi. La météo demande ainsi aux pêcheurs surtout de ne pas se rendre en mer jusqu'à demain jeudi dans l'après-midi. Tidiane Guidou, ingénieur prévisionniste à l'ANASIM, joint par Barthélémy Gomme. Nous avons prévu euh, un vent fort, donc euh, ça sera un vent de secteur nord euh, qui dépasse 40 euh, km par heure. Donc euh, ce vent intéressera tout le littoral, donc de Saint-Louis au Cap Donc, mais ce qu'il faut retenir, c'est que le, vent commence à partir du 15h, mercredi à 15h, jusqu'au jeudi à 10h, donc où, il y aura la stabilité. Donc, mais le, ce sera très marqué entre l'axe euh, Dakar-Mbour. Donc l'axe Dakar-Mbour, on aura un vent très assez marqué. Donc euh, ce qui fait que ce que nous pouvons dire, c'est demander aux pêcheurs d'attendre. C'est juste une journée, donc à partir de 15 heures, qu'ils attendent jusqu'à ce que le vent passe. Donc euh, demain, dans l'après-midi, les conditions sont favorables pour la navigation. Et puis euh, le désencombrement de la voie publique à Dakar. Les supports publicitaires sur l'axe de la corniche ouest enlevés la nuit dernière. La DESCOS euh, a mis en exécution euh, sa menace contre la pollution visuelle et l'encombrement de la voie publique. Les automobilistes, si certains s'en réjouissent, d'autres trouvent impertinentes ces opérations. Reportage Kumbasan Faye. Ah. Cet agent de l'UCG balai entre ses mains en pleine action de nettoiement s'est retrouvé ce matin avec un surplus de travail. Beaucoup de débris à enlever sur le long de la corniche ouest. Ce conducteur de taxi garé sur le trottoir nous raconte comment il a été surpris de ce nouveau décor sur la corniche ouest. waaw mais vraiment gisuma ci benn terrassement wax dëgg yàlla les supports publicitaires enlevés. La descosse est passée à l'acte. Cette nuit du 9 au 10 novembre, la raison avancée, euh, plus de fluidité de la circulation, lutter contre la pollution visuelle et l'encombrement de la voie publique. Et c'est réellement ces supports publicitaires dérangés, négatifs pour ce conducteur de taxi. Par contre, cet autre automobiliste euh, trouve nécessaire ces opérations de la direction de la surveillance et du contrôle de l'occupation du sol. Il pèse le pour et le contre. Parfois, ça gêne les automobilistes. Donc, si c'est dans l'illégalité, c'est normal qu'on les enlève. Bah, je suis parfaitement d'accord avec ça surtout pour la visibilité de la route et tout ça. Bon, je crois que c'est une bonne chose. Ce jeune homme est riverain. Il tient en même temps son commerce sur la corniche. Et pour lui, ses emprises de l'axe routier devaient être libérées. Euh, Mohamed Bachar sait que ben, les problèmes publicitaires là, ben, ça, ça a combré un peu la route. Euh, aussi, nous avons un problème de, de passer ici. Mais Alhamdoulilah, maintenant, avec la destruction, on a une vision claire et euh, on peut passer sans avoir de danger sur la route. Ces opérations vont se dérouler dans la période du 9 au 16 novembre et pour le matériel enlevé, destination la fourrière municipale de Grainhoff. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détier Bonjour. Bonjour, Souleymane Niang. En Guinée, le colonel Doumbouya dit non au médiateur de la CEDAO, Mohamed Ibn Chambas. Le chef d'État guinéen estime qu'il n'y a pas de crise interne et que le processus de transition est sur de bons rails. Le gouvernement de transition qui a par ailleurs décidé de réquisitionner tout le patrimoine immobilier de l'État. C'est dans une lettre adressée au président en exercice de la CDAO que l'homme fort de Conakry a donné sa position sur le sujet. Pour le colonel Doumbouya, la nomination d'un envoyé spécial ne paraît ni opportune ni urgente dans la mesure où, je le cite, aucune crise de nature à compromettre le cours normal de la transition n'est observée. Fin de citation. Toutefois, selon le correspondant de RFI à Conakry, la Guinée est toujours disposée à recevoir des missions de la CDIAO pour travailler avec le gouvernement sur les axes d'accompagnement technique en vue d'un retour à l'ordre constitutionnel normal. Par ailleurs, les autorités de transition veulent récupérer le patrimoine immobilier de l'État. Il s'agit de bâtiments et édifices occupés jusque-là par de hauts fonctionnaires ainsi que des hommes politiques. L'objectif est de réattribuer ces logements à la nouvelle équipe du gouvernement de transition. L'ancien président de l'Assemblée nationale, membre du RP parti d'Alpha Condé, dénonce une mesure politicienne. Mais les nouvelles autorités guinéennes ne comptent pas revenir en arrière euh, sur la question. Le communiqué de l'actuel Premier ministre exprime la volonté du gouvernement de transition de faire l'inventaire de l'ensemble des biens appartenant à l'État guinéen depuis 1958. Au Mali, Kaoudim n'est plus membre du Conseil national de transition. Le président de la transition a abrogé hier le décret de sa nomination. Kaoudim bénéficie d'une euh, liberté provisoire dans l'affaire dite atteinte au crédit de l'État et trouble à l'ordre public. L'abrogation du décret de sa nomination, de la nomination du désormais ex-quatrième vice-président du CNT va permettre euh, sans doute l'ouverture d'un procès. En Éthiopie, des chauffeurs du programme alimentaire mondial retenus dans le nord du pays. Ils sont au nombre de 72. Ils sont détenus à Semera sur la seule route permettant l'accès de l'aide humanitaire au Tigré. Un porte-parole de l'ONU a affirmé qu'ils sont en contact avec le gouvernement éthiopien afin de comprendre les raisons de la détention de ces 72 chauffeurs contractuels engagés par le PAM, le programme alimentaire mondial. La Tunisie, un manifestant est mort asphyxié par les gaz lacrymogènes tirés pour mettre fin à une manifestation contre euh, la gestion jugée défaillante des déchets à Aguereb dans la région de Sfax. L'homme âgé de 35 ans est décédé dans la nuit de lundi à mardi. Le ministère de l'Intérieur a affirmé que le manifestant avait été hospitalisé pour un problème de santé sans rapport avec les incidents. L'on parle des attentats du 13 euh, novembre en France. François Hollande à la barre ce mercredi. L'audition de l'ancien président devrait débuter à 11h30 minutes. François Hollande a été cité comme témoin par euh, une association de victimes. Les États-Unis, pour terminer, un tribunal a autorisé la transmission à une commission d'enquête parlementaire de documents liés à l'assaut contre le Capitole du 6 janvier dernier. Cela malgré les tentatives de l'ancien président Donald Trump pour les garder secrets. Mais la juge fédérale Tania Chutkan, dans sa décision, a indiqué que la Cour soutient que l'intérieur, euh, que l'intérêt public exige de répondre favorablement aux vœux conjoints des branches législatives et exécutives d'étudier les événements qui ont mené au 6 janvier. Georges Détidiope, merci. 12h25 minutes. Parole aux auditeurs. L'actualité.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 et euh, suscite autant d'intérêt que les communes. Réponse tout à l'heure avec nos deux intervenants du jour. J'ai nommé Adama Gueye, expert en développement local, et Amadou Sennian, expert en décentralisation. Le journal des sports avec vous, Sodetiam. Bonjour. Bonjour, Souleymane Nian. Football pour commencer, cinquième journée des éliminatoires du Mondial Qatar 2022. Les Lions au complet depuis hier le match Togo-Sénégal. Et ces Lions donc vont découvrir la pelouse du stade Kigé de Lomé, lieu de qui doit abriter le match demain à 19h. Parmi les joueurs qui ont complété l'effectif, Pape Alassane Gay, le néo-lion sociétaire de l'Olympique de Marseille, s'est prononcé au micro de la Fédération sénégalaise de football. Je suis très content, heureux et fier de rejoindre euh, la sélection. Voilà, je viens d'arriver euh, au Togo voilà, j'ai pas encore vu les joueurs, mais je suis très, je suis très content et j'espère que ça va bien se passer. Euh, je connais, j'ai joué contre beaucoup de, de, joueurs de, de, cette sélection et euh, voilà, je joué avec euh, Bamba à l'OM et voilà, il m'a beaucoup parlé du Sénégal. Je suis venu plusieurs fois. Mon père, il vient souvent. Il me parle beaucoup du, pays et voilà, c'est une fierté aujourd'hui que je défends ces, couleurs. J'ai très hâte parce que c'est le choix du cœur, ce choix il n'a pas été forcé, c'était un choix entre guillemets normal je suis venu défendre les couleurs de mon pays avec une très grosse équipe, un très bon coach et euh, j'ai hâte de commencer cette aventure. Pape Gay rappelait juste que le Sénégal est déjà qualifié pour le dernier tour des éliminatoires Qatar 2022. Togo-Sénégal demain jeudi à 19h. Un match en direct sur la radio Futur Média. Le Sénégal va clore euh, ce tour des éliminatoires le 14 novembre au stade Ladior de Thiès face au Congo Souleymane. Basket, euh, la finale du tournoi de montée en National 1 masculin se joue cet après-midi. Euh, ce sera à 17h au stadium Marius Ndiaye entre le port autonome de Dakar et l'Union sportive des parcelles Zassini. Ces deux protagonistes sont d'ailleurs les deux équipes qui vont rejoindre la première division la saison à venir. À quel genre de match est-ce qu'on peut s'attendre Tentative de réponse avec Pape Morbassignan du journal Record. Elles voudront accrocher ce titre de, champion de National 2 dans leur palmarès et qui on se base sur euh, leur parcours. USPA comme le port ont montré de, belles choses durant ce tournoi de, ce tournoi de montée. Déjà, l'USPA est la seule équipe invaincue depuis, depuis l'entame du tournoi de montée, avec sept matchs et autant de victoires. Euh, l'équipe du port a disputé six matchs, cinq victoires et une défaite. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a les deux meilleures équipes du National 2 et elles l'ont montré tout au long du championnat avec un jeu attractif, même si l'équipe de l'USPA est plus forte, avec des jeunes dynamiques, très agressifs sur le plan offensif, même aussi sur le plan défensif. Et on l'a vu hier contre l'Atlantique. C'est vrai que l'AC les a un peu secoués, mais ils sont restés costauds tout au long de la rencontre. L'équipe du Port, c'est une équipe expérimentée parce qu'on voit des joueurs qui ont joué à l'US Gorée comme Derry, qui connaissent bien le championnat national 1 masculin. Et cette expérience-là peut servir pour l'équipe du port. Donc on aura une belle finale, une belle finale entre les deux meilleures équipes de la D2. Et je pense que le spectacle sera garanti aujourd'hui au Stadium Marius Basket toujours avec euh, la visite du président de la FIBA Monde à Dakar. Et c'est à partir de ce mercredi une visite qui s'inscrit dans le cadre des activités officielles de la FIBA. Une audience avec les autorités sportives est au programme. La présidente de la zone 2 revient sur l'utilité de la visite du président Amanian Ayapouille au micro de Cherti Yandian. Une visite euh, de la part du feu à Blaise pour le présenter le camp de de FIBA. Et par la suite, euh, il sera reçu par le ministre des Sports pour pouvoir euh, parler des questions de basket. Il sera accompagné de moi-même et je pense aussi euh, de quelques membres de la zone qui résident au Sénégal. Alors, Madame euh, Lariguet. Alors, il s'agit donc d'une visite de travail. Qu'est-ce qui est attendu à l'issue justement euh, de cette visite euh, du président de FIBA Monde Moi, je pense qu'il va parler un peu du basketball sénégalais, de faire un peu l'état des lieux, parce que quand même, on a eu à faire euh, des partages au niveau à deux championnats d'Afrique et on plus voir comment le basketball sénégalais euh, vraiment si euh, y a l'apaisement qui, qui vraiment qui maintenant autour de ce basket. Euh, vous êtes la présidente de la zone 2. Alors dites-nous comment se porte le basketball dans cette zone. Oui, ça se porte très bien, d'autant plus que si vous voyez sur les deux afro-baskets, la zone a été la plus représentative parce que chez les garçons, on a eu 4 quatre pays, chez les filles aussi, on a eu 4 pays sur 12. Donc, je pense que c'est la zone la plus active euh, concernant euh, cette zone euh, d'Afrique. C'était Ayapoui, présidente de la zone 2. Et c'est tout, euh, Souleymane pour cette page d'espoir. Merci, Sodetiam, 12h31 minutes. L'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Retour à l'information générale avec la journée internationale des stagiaires célébrée aujourd'hui. Certains trouvent qu'ils sont exploités ou surexploités dans les entreprises avec des contrats qui n'aboutissent jamais à un recrutement. Pourtant, la loi 2015-04 du 12 février 2015 est bien claire et protège le stagiaire contre toute forme d'abus. à Toumani se dit déçu après un long stage effectué dans une entreprise. Un bon matin, il est remercié et son espoir s'est brisé. Et pourtant, son apprentissage lui avait permis de bien maîtriser son domaine. Moi-même, j'ai été dans une entreprise, euh, j'ai duré là-bas, j'ai maîtrisé les tâches. Et au final, on m'a appelé un bonjour pour me dire voilà, on te remercie, on va arrêter le stage. Et c'est pratiquement de la, de, la trahison. C'est tout simplement de l'exploitation, clame le jeune Toumani. Prends euh, un étudiant, un stagiaire, qui dure dans l'entreprise, qui maîtrise tout, les, toutes les tâches de l'entreprise et au final euh, de, le, remercier et, d'arrêter son stage, ça je, l'appelle simplement de l'exploitation. Inspecteur du travail et de la sécurité sociale Mamoudou Meng précise ce que dit la loi dans ce contexte. Il y a un décret qui a été pris Mm-hmm. en application de la loi 2015-04 du 12 février 2015 qui consacre le contrat de stage. C'est pour éviter les avis que ce décret a été consacré et que par rapport à la durée, par rapport au type de contrat, par rapport aux modalités d'enregistrement à l'inspection, tout ça est prévu par le décret. Et même par rapport à, la rémunération, au cas où ils constatent que leur droit énumérés dans le décret n'ont pas été respectés, ils peuvent effectivement faire recours au niveau de l'inspection du travail, qui prendra les dispositions pour euh, faire comprendre à l'emploi de se conformer aux dispositifs réglementaires. Mais aujourd'hui, beaucoup de stagiaires ne sont pas informés de cette loi et ils subissent les abus de ces entreprises. La presse de ce mercredi 10 novembre 2021, lui, est commentée par Georges Détiediop. Les circonstances de la tragédie familiale de Sacré-Cœur connues. Selon l'observateur, les conclusions des autopsies des dépouilles du euh, chirurgien dentiste Falla Paye et de ses enfants révèlent une atrocité. Les enfants ont été étranglés par leur père jusqu'à ce que mort s'en suive. L'aîné, Mohamed Paye, a aussi reçu des coups de couteau. L'observateur, qui se fonde sur les documents de l'autopsie publiés par le site Dakar Buzz, souligne que le médecin s'est tué par choc hémorragique par arme blanche. L'affaire Niaga au rôle de la Cour d'appel de Dakar ce mercredi. Le procès qui a été plusieurs fois renvoyé se tient aujourd'hui au palais de justice Latdior. Un procès sous haute tension. Barthélémy Diaz a appelé à la mobilisation et à la résistance soutenue en cela par Ousmane Sonko. Le témoin relève aussi que du côté du pouvoir, Yankroba Diatara appelle les jeunesses de la majorité présidentielle à se mobiliser pour faire face à l'opposition. Les forces de l'ordre, elles, sont sur les dents depuis hier, tandis que le président président Macky Sall s'est fait la malle. Vox Populi en déduit que pouvoir et opposition se braquent. Les différents états-majors abattent leurs cartes. Un cocktail explosif donc. Du coup, le témoin et les échos parlent d'un mercredi de tous les dangers à Dakar. Le quotidien, le quotidien pendant ce temps fait état d'un spectre d'une deuxième vague. En effet, le confrère note que le Sénégal et surtout Dakar retient encore son souffle. Les appels à la résistance lancés par Yehuy Askanui lors du procès en appel de Barthélémy Diaz, conjugués aux multiples rejets des listes de l'opposition, font craindre un 10 novembre chaud comme début mars dernier. De quoi inquiéter Tribune qui interpelle les acteurs politiques. Faites attention, vous jouez avec le feu, s'exclame le journal. Au moment où la Cour d'appel de Dakar évoque l'affaire Niagadiouf, celle de Saint-Louis tranche le recours contre le rejet de la liste de Yehuy Askanui à Matam. Source A informe que l'audience est prévue aujourd'hui. Selon Source A, le recours qui saisit la chambre électorale de la Cour d'appel de Saint-Louis vise directement l'État du Sénégal. L'affaire présumée de trafic de passeports diplomatiques, l'Assemblée nationale est passée à l'acte hier. Elle a voté la levée de l'immunité parlementaire des députés Boubacar Biaï et Mamadou Sall. Majorité comme opposition ont validé la requête du ministre de la Justice. Résultat, Sud Quotidien affirme que l'Assemblée nationale Livre, Salle et Biaï. Pour l'AS, Boubacar Biaï et Mamadou Sal sont livrés à la justice. Les échos renchérissent les députés Biaï et Sal sont livrés sans opposition. Leurs immunités parlementaires ont été levées taf-taf par leurs collègues. Après la levée de son immunité parlementaire, Boubacar Biaï, lui, s'est entretenu avec l'observateur. Le député confie n'avoir jamais été affecté par cette affaire de trafic de passeport diplomatique. Les sports pour terminer à la une de record, Bounassar sur son état de forme je n'ai aucun problème de rythme. Le journal Record qui souligne par ailleurs que la défense est le problème central des Lions du fait de sa fébrilité depuis euh, quelques matchs. À la première page du journal Stade, performant en club depuis le début de la saison, Sadio, Sar et Habib prêts à cracher du feu. Avec Mané, la défense du Togo est avertie selon le journal. Habib Diallo a retrouvé sa grande force. Ismail Assar lui est prêt à enquiquiner les éperviers. À vos kiosques et bonne lecture. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h37 minutes, euh, bienvenue euh, à Point de vue. Nous débattons des départements euh, en vue donc des prochaines élections locales. Euh, au moment où euh, les communes euh, cristallisent toutes les convoitises dans une certaine mesure au détriment des départements. Alors ces départements ont-ils suffisamment d'attributions et de compétences pour jouer leur rôle dans le développement économique et social des territoires C'est à cette question que nous allons tenter de répondre avec M. Adama Gueye, expert en développement local. M. Gueye, bonjour. Bonjour, bonjour. Souleymane Nian. Euh... Ah, un de vos admirateurs, monsieur Merci beaucoup, c'est très gentil euh, de votre part. Nous sommes également avec euh, Amadou Sen expert en décentralisation. Amadou Sen bonjour. Bonjour Souleymane. Alors je reste avec vous puisque en dehors d'être euh, un expert en décentralisation, vous êtes également candidat à ces prochaines élections euh, local, En tout cas, vous l'étiez. Je ne sais pas si votre liste euh, et votre candidature ont été retenues. Euh, en tout état de cause, je vous sollicite en tant qu'expert en décentralisation. D'abord, comment expliquer cette préférence nette des partis, coalitions de partis, ou en tout cas des individus pour les communes et pas pour les départements. C'est lié à quoi d'après vous euh, merci Souleymane, c'est une question pertinente. Effectivement, je suis candidat à la commune, candidat maire à la commune de Rufisque Nord et candidat conseiller euh, au département de Rufisque avec euh, Daouda comme candidat président du conseil départemental. Il est vrai que c'est un constat qui est là. Euh, la décentralisation se joue à la base et peut-être c'est dû à la proximité, à la proximité des des... des hum, communes des, oui, à la proximité euh. entre l'administration et les administrés. Mhm. Euh, ce qui est aussi vrai, c'est que il n'y a pas trop d'enjeux au niveau du département, selon certains. Mais pourquoi cela Oui, c'est dû à deux, choses. D'abord, euh, au plan institutionnel, hum, si on interroge le nombre de collectivités territoriales en Afrique, qui se situe à 16 186, les 15 536, c'est des communes de base. Les 515, c'est des euh, collectivités locales de niveau supérieur, je veux dire région et province. Il n'y a que seulement 135 qui sont au niveau intermédiaire, les départements. Sur ces 135, les, 40, les, les 43 sont du Sénégal. Euh, il n'y a pas trop d'enjeux parce que quand on fait le tour de l'Afrique, quand on rencontre, euh, quand on va aux rencontres fêtières, il n'y a pas à proprement parler de collectivité euh, territoriale correspondante au, département du hmm. Sénégal. Et cela pose problème dans la coopération, dans, le, dans, les jumelages et, autres choses. Donc cela pose problème. L'autre aspect, c'est l'aspect financier. Hmm. Euh, là, le département n'a pas de fiscalité le département vit de dotation, Les dotations de l'État, les transferts courants, effectivement. Vit de, transferts étatiques, les, fonds de dotation, les fonds d'équipement. on a même, pour le PACASEN, ils n'étaient même pas éligibles. Ce n'est que le 22 euh, octobre 2019 euh, euh, que le président, 2020, que le président a accepté de faire un PACASEN département. Donc, vous voyez que ce, ce département-là vit de transferts étatiques il n'y a pas de fiscalité du, tout, il n'y a pas de taxe, il n'y a pas d'impôt, il n'y a aucune recette fiscale. Si ce n'est pas les transferts, c'est les produits de la coopération. J'ai dit tout à l'heure, le problème qu'il y a. Il y a, tellement peu de, départements au niveau intermédiaire dans le monde que effectivement, il est difficile de trouver des, partenaires euh, au développement au niveau décentralisé. Alors, dans ces conditions, Adama Gay, expert en développement local, est-ce que les départements jouent réellement leur rôle justement dans le développement local euh, sur leur territoire Oui, monsieur je, je vous dirais que tout de suite, le département a un problème, un problème, j'allais dire même institutionnel. Vous savez, quand on a supprimé les régions, on a eu un problème au niveau de la coopération, pour ne pas dire de la coopération décentralisée, hmm. et même de l'intercommunalité. Parce que le département existait pratiquement sur le plan institutionnel, même si ça ne s'appelait pas département. L'Égypte, les groupements d'intérêt communautaire, sont pratiquement des départements en puissance. Et là, on pouvait faire jouer la concertation, la concertation, on pouvait jouer l'intercommunalité à partir de discussions de discussion à l'interne. Toutes attributions qui sont, qui, sont maintenant euh, dans, l'escarcelle des départements, c'est-à-dire euh, l'animation, la coordination justement des plans de développement de, ces collectivités euh, territoriales à la base que sont les, communes. Vous savez, vous savez les communes, les communes, les communes aujourd'hui sont créées. Dans, même, même la, loi, au niveau de la loi et même au niveau de, de, l'exposé des motifs, vous disiez qu'on des départements pour leur permettre de promouvoir, non seulement de promouvoir, mais de participer aussi à l'aménagement du territoire. C'est ça. Or que l'aménagement du territoire aujourd'hui pose problème. Et malheureusement, les départements n'ont pas les moyens de faire cet aménagement du territoire, de faire cette promotion du développement économique, social, culturel, environnemental, qui ne se limite pas aux, domaines, aux neuf domaines de compétences. Je, je le répète encore. C'est la clause de compétence générale. La culture locale doit intervenir partout où elle peut améliorer l'existence des populations. Notamment à travers des conventions avec les communes et avec l'État central, justement. conventions avec l'État, avec d'autres cultures locales, avec même des privés. N'est-ce pas Aujourd'hui, mhm. nous avons un problème au niveau du département euh, j'emboîte pas à mon ami qui vient de sortir, M. Amadou, Amadou Sennian, oui. Alors, Mais justement, je, voudrais euh, euh, euh, relancer Amadou Sennian à ce sujet. Est-ce que finalement, en plus du problème d'identité, de positionnement de l'échelon département et de viabilité financière aussi, par manque d'opportunités de, d'opportunités de partenariat, par manque de fiscalité locale pour les, les départements, est-ce que le problème ne se trouve pas dans les textes, dans le sens où ben, il y a cette compétence générale, il y a aussi le fait que toutes les collectivités sont de d'égale dignité, donc il n'y a pas de relation hiérarchique entre le département et les communes. S'y ajoute euh, que euh, ben, tout ce que le département fait doit être fait dans le respect de l'intégrité et de l'autonomie euh, des, des, des autres collectivités territoriales. Il faut dire, et c'est vrai, et que c'est l'acte 3 qui a tout faussé. En fait, euh, c'est l'orientation qui n'est pas bonne. Il l'a dit tout à l'heure, le niveau départemental euh, pouvait être un niveau intermédiaire, un niveau intercommunal qui allait réunir les collectivités locales de base et qu'on puisse laisser la région jouer ce rôle de coordination, d'harmonisation, d'animation du développement territorial, économique, social à un niveau beaucoup plus supérieur. Hmm. Cela donc a tout faussé. Et moi qui suis au niveau de la ville de Rufis, au niveau de la commune, euh, je n'ai jamais reçu le schéma d'aménagement du territoire du département de Rufis, par exemple. Or, il est indiqué dans les compétences transférées que c'est le département qui doit, doit élaborer, les plans départementaux de développement, effectivement. Oui, qui doit mettre en œuvre le, schéma d'aménagement du territoire, hum. mais la commune reçoit comme compétence le fait de donner son avis et d'assurer l'opérationnalisation des options cela n'est pas fait. Pourquoi parce que euh, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a un problème de viabilité économique, il y a un problème de, viabilité institutionnelle. Ce qu'il y a à lieu, c'est réformer carrément le département. ce qui explique justement le fait que la plupart des politiques n'y sont pas. Et, si demain les, on les met à la tête de ces exécutifs locaux ou au niveau des conseils, Mm. départementaux, ils se rendront compte que c'est une coquille vide qui n'a aucune recette financière. Mm. Et du point de vue institutionnel, du point de vue de, des mécanismes de financement, même des, politiques de développement au niveau départemental, il n'y a aucune initiative, sinon le rattrapage du, du PACA, euh, Pour ce qui mm. est du cadre humain, est-ce qu'il y a véritablement une passerelle entre la fonction publique d'État qui, permet, avec les ressources humaines de qualité qui y sont, contrairement à ce qu'on voit au niveau des collectivités territoriales, pour permettre justement à ces départements-là, au-delà des contrats et des conventions qu'on doit signer pour permettre au niveau des ARD, mais, comment faire justement pour euh, permettre à ces départements-là de bénéficier de l'expertise du personnel de l'air. En théorie, ça existe avec la nouvelle fonction publique locale. Oui, mais ce qui, tarde à être mise en œuvre parce que l'État voudrait faire supporter le coût de cette réforme aux collectivités territoriales. Toute réforme a un coût et malheureusement, pour ce qui est de la fonction publique territoriale, l'État ne veut pas supporter le coût de sa mise en œuvre. Les ARD qui ont été conçus, créés pour accompagner la régionalisation ne sont plus sollicités comme cela se faisait avant. Parce que justement, l'échelle départementale est peut-être euh, euh, euh, la raison qui a fait que il y a un certain flou, un manque de coordination, même, même un problème d'accès. Donc tout cela devrait être revu. Moi, quand j'étais au Conseil régional de Dakar, le siège de l'ART se trouvait au niveau du, conseil, régional. et il y avait une certaine harmonie, une certaine coordination, et on pouvait, pour tout ce qu'on faisait, euh, à, recueillir l'avis des techniciens de l'ARD. Merci. Ce n'est pas le cas pour les départements parce que les ARD n'ont pas suffisamment de personnel pour venir à bout des problèmes de, chaque département. Merci euh, beaucoup, Amadou m'amène à dire mhm. qu'il faut revoir la départementalisation. Très bien. Le dernier mot à Adam Gueye, euh, en 30 secondes vraiment. Euh, alors, la solution, c'est quoi La solution radicale, c'est de supprimer cet échelon de décentralisation ou peut-être prendre les solutions qui sont en filigrane dans le diagnostic, c'est-à-dire établir une fiscalité locale et tout y quanti même la fiscalité locale, tout seul, ne, tout du moins, ne permettrait pas de rendre opérationnels ces départements. Je crois qu'il y a un fait mondial. Je pas que le Sénégal essaie de nier ce fait mondial. Le fait mondial aujourd'hui, c'est la région. La région est devenue un fait mondial. Vous sortez du Sénégal, l'ensemble des grands pays, de, des pays à décentralisation marqués sont pour la région. En France, on essaie de... il y a des départements en France, il y, il y en a 101, je pense. En regroupant des régions la région est devenue en fait mondiale. Et quand on partait vers la décentralisation, à l'acte 3, en 2013, je peux vous le dire aujourd'hui, le Sénégal a perdu plus de 45 milliards qui étaient destinés aux régions. On a été obligé de répartir et même d'affecter carrément aux régions du Burkina, du Burkina Faso. C'est vous dire que le département, en s'approchant des populations, effectivement, crée plus de besoins n'a pas de moyens. Très bien, merci beaucoup. Ben, ce sera le dernier mot de ce point de vue. Je vous remercie tous les deux. On vous retrouve dans la version en Wolof euh, dans un peu moins d'une heure euh, maintenant. À 12h49 minutes, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a préparée et réalisée. Abdoulaye Diop à la mise en onde, assisté par euh, Maïssa